ñu war ko nag ubbiwaat pour askan wi commencé ci yëngu ci wàllu tàggat yaram amoon nañ ca ay Ziguinchor waaye amoon nañ ci ay jafe-jafe loolu bi mu tëjee ndax benn bëñ la woon ci ci gémmiñ <laughs> donc yàlla def na tey bëñ bi defaraat nañ ko macha allah euh, ba war ko ubbi day nak moo tax ñu dalal ki nga xam ne moom mooy inspecteur départemental de sport waaye tamit jiite nekk directeur stade boobule moom la ñu war a séq ak waxtaan. Mm. Euh, du ñàkk nag aussi ci biir émission bi dañu waxtaanee lu jëm ci équipe nationale parce que aussi euh, ñu ngi jëm ci dernière journée éliminatoire yi euh, di suba lay am der jonganteem bu mujj. Mm-hmm. donte sax léegi ñëpp xam nañ ne moom moo jël premier ci poule bi ndaxte Burkina perte na sànq mook diggante ak Malawi. dinañ ci waxtaan waxtaan aussi Casa Sport bi war a recevoir week-end prochain fii ci stade bi. Mm-hmm. mu war a méngóog benn événement bu am solo boo xam ne dañ ci ñëwaat inspecteur ñu ngi lay gërëm di la ziar. mais merci euh, mon cher euh, Moussa Ndaw man tamit xam nga né ma ngi am contentement bu baax a baax a baax a mhm. fekk si le ci ce euh, studio bu yànj bi. machallah à travers yow ma ngi profiter di ziar euh, kilifa radio bi. Mhm. di ziar mboolem ñu nekk ci xarala yi comme sunu jarbaat bi mo fi fekk. Xavier ak directeur bi ak techniciens yi ak ñi yor taskatu xibaar yi ak ñëpp ñu ngi ciy profité. Mhm. wax dëgg yàlla di leen ziar à travers vous ñuy sargal ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, taskatu xabaar yi yëngatu ci wàllu tàggat yaram. Mhm. ndaxte aujourd'hui tàggat yaram am na fu mu agsi ci réew mi ak ci Afrique te yaakaar naa ne ñi nga xam ne mooy sunu mbokk journaliste yi. nañ ci bay nañ ci mhm. à travers nuyo comme ni toujours ci contentement nga may ziar kilifa yi. Mhm. kilifa yi administration bi kilifa aada yi kilifa diine yi ci Casamance Sénégal gi yépp Afrique ak bi mhm. di ci le mouvement sportif di ci la jeunesse di ci n'est-ce pas le monde de la culture.

aussi Aline Sitoé Diatta wuuti fi aussi suñu xarit. Mhm. Euh, di nekkoon suñu suñu waay nekk suñu waay muy inspecteur Mour Lamine Badiane ñu koy ziar bu baax a baax. Euh, moom fa mu nekk fële ca euh, Mbacké. Mhm. ñu ngi ko fay nuyu bu baax a baax nuyu toute la famille naan ko ins namm nañ la. macha allah macha <laughs> allah ñu bàyyi la nga yónnee ko nuyoo. sa xarit bi waaw kooku xam nga Moussa tu as parfaitement raison ça se voit que yow tamit suñu waay nga j'ai l'habitude de t'appeler affectueusement my teacher. Mhm. yàlla dafa def ne bokk nga ci jëmm yi ma njëkk a kotuwaay yi ma njëkk xam ci dëkk bi. Mm-hmm. te boobu ba léegi macha allah dañ ciy sant yàlla moo tax c'est toujours un grand plaisir de te retrouver de te voir. Mm-hmm. yaakaar naa ne genre émission bi bi mooy ñaareel bi suma juum. waaw waaw man ak yow defoon nañ ci benn. benn bu ama am solo. Mm-hmm. boo xam ne dégg naa ci ay retour yu am solo. parce que def dara benn produit doo ko sax xam mais à les. Euh, les retours les mhm. feedback yi da nga ci am ay satisfaction mu mhm. ci profiter di la ci féliciter merci di la ci remercier boobu yaa ngi ko defoon ci benn contexte d'inquiétude parce que boobu estade bi sori na lool ci wàllu liggéey mhm. tey nag alhamdulilah comme ni nga ko waxee santaat yàlla nga tudd fi jëmm nag boo xam ne kenn la ci ñun mu Mamadou Lamine Badiane di sunu xarit Dieu a fait qu'on a fait voilà, les armes ensemble. On a fait le CENEPS, on a fait l'INSEPS, mhm. à l'école des grands cadres sportifs. On a fait donc Sunu Diabodi le Sunu Sohnei, mhm. Sunu Kharit. Aujourd'hui, par comme le bachelor don le hasard, c'est l'ignorance des causes. Mhm. Par la force des événements, Yalla Deftei, nous permettez nous wat. mu dem dans la région de Djourbel man ma ñëw dans la région de Ziguinchor mhm. mu nekk loo xam ne négocier nañ ko def nañ ko en tant que commis de l' état. Mhm. avec tellement de philosophie que finalement la ca xawoon a kii sax finalement dafa mujj nekk euh, bànneex. Mhm. donc mu nekk loo xam ne contentement lañ ci am. ñu ci profité di ko ñaanal. fofu tamit commencé na fa bay bu ay écho. la la mm-hmm. ko tamit <laughs> ak des acteurs de l'état nest ce pas de la déconcentration. de la mm-hmm. décentralisation. ak doomu ak mm-hmm. merci inspecteur. Mm. voilà donc di auditeurs aussi que ni ci kanam euh, permettre ñu au 77 439 21 20. Euh, di aussi profito comme ni ñu koy defee ci émission bi rek di ci jaal suñu mbokk yi nga xam ne ñàkk nañ seeni waajur mhm. eh, ak ñi nga xam ne ñi ñi ngi am mbégte aussi di ko di ko di ko màggal ñoom mhm. ñëpp ñu koy bokk ak ñoom mhm. rawatina ñëpp ñi nga xam ne ñi vraiment dañ cee ñàkk seen mbokk ku ci mel ni suñu xarit coach Aïcha Henriette njaay nga xam ne ñàkkoon na yaayam semaine ba la ñu génn kon ci diggante bi jotuñu woon def émission ba jaale ko en direct donte demoon nañ ci robbeeg yooyu waaye moom dafa bokk si ñun ñu koy massawu di ko vraiment ñaanal yaayam fu mu tëdd gënal ko fu mu jógee yàlla yàggal saraxam si loxo njaboot

ce qui fait qu'à travers ñu nekk aussi ay acteurs. Mm-hmm. di observer un peu la scène nationale et internationale. nga gis ne doomu Casamance dañ cee mës a bay seen waar xam naa ko xam seneps de Thiès wala xam INSEPS de Dakar. Mm-hmm. tout de suite da ngay xam que ne ñun doomu Casamance dañ fay bay seen waar bu baax. ça veut dire que man avant ma fiy ñëw li ma bëgg a wax foofu mooy que ñun déjà xamoon nañ ne Casamance dëkku sport la. Mm-hmm. Ziguinchor. dëkku sport la donc man bi ma dikkee ci loolu laa sukkandiku te effectivement loolu laa gis tey jii sport dëgg la euh, bëri na ay jafe-jafe pour euh, euh, pour dérouler wu pour atteindre un peu les pinacles. Mmh. waaye dafa am force force bi nag moom mooy doomu dëkk bi ni ñu bëggee la chose sportive jeunesse bi ni ñu bëggee li nga xam ne mooy sport. Euh, de la base nag jusqu'au sommet nga xam ne mosuñu ci des gannaaw ñu ciy profiter di sargal anciens yi nga xam ne ce sont les pionniers am na si ñoo xam ne ba léegi ñu ngi fi yàlla na leen yàlla bàyyiwaat suñu kanam. Mmh. ñu continuer di ñu motiver di ñu inspirer. Mmh. am na si ñoo xam ne wuyu ji nañu ñu ciy profiter di leen ñaanal foofu gënal leen fii. Mmh. et ñun aussi ñu bañ mujjee puso bi. muy réer ci suñu loxo. mais dal li ñu mën a wax ba mën a wax par rapport ak sa laaj bu am solo boobu euh, le sud du pays dañoo am benn dañoo am lu ñuy tuddee euh, benn représentativité. Mm-hmm. et puis à tous les niveaux. à tous les niveaux. à toutes les disciplines. yëpp yëpp football basket arts martiaux volleyball handball mënuñu leen lim. parce que c'est mm-hmm. des cinq c'est une cinquantaine. Mm-hmm. kon daal dañ ci mës a bay seen waar. ci arbitrage bi ci coaching bi. ak ci athlète bi. Mhm. ak ci administratif bi. donc dañoo mës a compter ay leader technique ay leader administratif. Mhm. ay athlètes. de haut niveau de haut niveau. Mhm. macha allah macha allah ni sargal ñëpp quoi. Euh, muy loo xam ne li c'est lu lu fës lu ñëpp xam mais moment bi nga ñëw mu tombé contexte bu xaw a doy parce que moment bi ngay jël fonction tombé nag stade bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ yoroon stade bi am problème di sooxee. ñu tëj ko. Ah, nan nga situation en tant que. da nga sa mhm. mais def li nga bëgg effectivement et aussi Moussa c'est vrai que mais on était préparé à ça parce qu'il faut savoir que notre pays a pris cette option de réhabiliter de rénover. Mhm. de moderniser la pratique sportive. Mhm. et qui dit pratique sportive dit forcément le socle. Euh, qui est les infrastructures sportives. Mm-hmm. dafa nekk ben palier ben pilier là j'allais dire. Mm-hmm. Euh, de la du sport de du sport de qualité la jeunesse aujourd'hui a besoin d'avoir des infrastructures de qualité. Mm-hmm. Notre pays euh, s'est résolument orienté vers la réhabilitation, hein, la, la, modernisation des infrastructures existantes. Et l'État du Sénégal avait dans un premier temps ciblé quatre stades eu égard à leur position, c'est euh, une position mhm. géographique. Le stade Alim Sitoé Diata, le mhm. stade Elimanel Boudjourbel, le stade Amitié bu Dakar le mhm. stade Lamine Gueye bu Kaolack. ñoom ñoo départ ay donc ce qui fait qu'effectivement effectivement 2024 nous ñun sax 2023 parce que. effectivement moment démarré effectivement mm. parce que il faut reconnaître que comme nous koy comme Ben la rek. waaw <laughs> euh, mënuñu rek décret bi génn rek effectivement nous exécuté ko. Mm. fallait won ko ñu may acteurs parce que saison sportive est sensible ñu may len par rapport que mais acte bi génnoon depuis. 2022 waaw tout à fait mais boy xol Aline Sitoé effectivement mi ngi tej 2023. Mm. ce qui fait que ci durée bu gàtt wax deug yalla il faut saluer ñu saluer nak autorité yi mhm. ñu xex ci bu baax suñu ministère bi nga xamné ne lañu bokku mhm. mu nekk bankasu nguur gi nga xamné ne nguur gi dafa jox jeunesse ak sport ak culture wal bu yaatu yaatu mhm. nga gis né dañ ci accélérer anticiper les délais de livraison parce que stade bi mi ngi waroon pare avril 2025 ñuy xex di xex di xex di xex ba indi ko macha allah ci mois de novembre. yi ñu nek di ci sante yalla autorité yi. Mm-hmm. di ci sante yalla cette synergie d'action bi am ci suuf ak waye tamit di ci sante les les usagers du stade. Mm-hmm. à travers cette belle résilience parce que aussi. école waaw école tamit euh, sport école sport école la. bo mm-hmm. xamné dañ ci jàng muñ. dañ ci jàng la patience. Euh, donc tamit dañ leen ci sargal.

6 mois voilà, wow, cinq mois. avant avant terme. oui euh, est-ce que mën nañ jàpp ne maintenant mate parce que xam nga tamit ku di livraison anticipée. forcément. quelque part voilà. Mm-hmm. parce que du peut-être ay architecte waaye ku ne. xam na ne bu anticiper rek. Mm-hmm. quelque part que parce que tamit qui choisir rek élimine. Euh, il faut le reconnaître quand même mais aussi il faut reconnaître que nous avons tey jii stade bu fonctionnel. ok bo xamné doomu Casamance bu fa dugg dal mhm. di nga gis né effectivement. amaat ngeen euh, benn mbubu bu bees. <laughs> <laughs> donte que nak sol nañu yéré bu bees waaw sol nañu yére bu bees kat <laughs> donte que nak des na. Mhm. te xam naa ne boo ma tamit fofu lañuy invité. inshallah allah usager stade bi. ñu comprendre lolu ñu téye seen yëf ci walu entretien bi. Mhm. parce que danañu ñu dinañ ci ñëw. très bien moom la ñuy tëjee d'ailleurs tout à fait alhamdulilah moom mm. kon mm. doxalal foofu. Mm. <laughs> voilà donc kon li ñu mën a jàpp mooy stade bi dinañ ci jot. Mm-hmm. Euh, mais lépp li nga xam ne lii euh, waroon nañ ko cee xaar parce que ci biir coow li xëccël bàyyi li fii amoon na ñeneen ñu ne woon stade bi beneen wàll gi mooy beneen tribune bi gars yi liggéeyuñ ko. effectivement. est-ce que mun nga ci indi leeral pour mu leer ci bopp li ñi. effectivement comme li ngeen ko constaté bërki démb. Mm-hmm. liggéeyuñ ko malheureusement entamé wuñ ko sax. waaw et qui sait xam na ne la tribune découverte euh, Aline Sitoé Diatta bokk na ci stade yi ñi ko njëkk a am. Mhm. parce que boo demee ay Louga yi yëpp amuñu woon. ak ah, même Kaolack amuñu ko ba léegi yaa ko fi njëkk a am. Mhm. il faut reconnaître que ce stade bi 1985 la su ma juumul. waaw après 92 lañ ko defaraat 85. avec Zeng. le président Léopold Sédar Senghor. 92 mhm. avec la Coupe d'Afrique de 1992 après 2015 euh, avec 2015 euh, avec les chinois et 2023 2023 et ça il traverser traverser euh, voilà cycle quoi mais un cycle bu doy waar te benn bu ci ne réalité mm-hmm. mais il faut reconnaître que Stade Aline Sitoé aller dafa avec tribune découverte mm-hmm. ak tribune couverte mm-hmm bâti sur une superficie de plus de 6 hectares. Tout à stade bu mhm. un stade aujourd'hui qui peut rivaliser avec un stade qui gën un au suñ ko quoi. tout à fait. mais effectivement il faut au parce que c'est un stade qui a abrité une campagne, euh, un championnat d'Afrique des nations. Les grands rabats majeurs ont foulé cette pelouse. oui, <laughs> oui. Ça veut dire que kon Ivoirien fii lañ Ivoirien fii lañ defee dem final. dem final fii lañ gagné dem final en 92 gagné coupe le sud du pays nous a apporté chance. chance voilà les Alingois mené je me rappelle on mm, était mm, encore un peu mm. n'est-ce pas. Mais malheureusement, force est de reconnaître que euh, la tribune découverte. Mm euh, man mako wax c'est le poumon du stade. tout à fait parce que dafa am euh, ay blocs sous gradin yu doy war mm. plus de 13 chambres. Mm. un centre d'accueil. tout à fait des salles. effectivement euh, d'accord salle muscu salle musculation tout mom lay le poumon du stade. tout à fait et j'ai toujours un peu cette voilà ce regret. Mm. que ce voilà un pincement au cœur coach de ne pas voir, euh, de voir ce, ce, ce poumon du SAD euh, un peu à l'est. Uh-huh. Voilà, je suis un peu voilà, triste de vous le dire. Mm-hmm. Mais malheureusement, beaucoup de projets. Mais, euh, euh, mais ça, c'est un projet de l'État. Tout à fait. N'oubliez pas que la Chinois, ont jël genn le gi. waaw état bi jël beneen genn ok donc mënu ma wax sax chinois ont dañ jël benn état état bi

Euh, li nga xam ne lii moom lañ moom mooy ci des. war mhm. nguur gi war na dina jël ay matuwaay. effectivement pour matal ko quoi. effectivement donte bokkuñu sax ci projet 46 espace stade départementaux yi. départementaux yi waay. Mhm. Mhm. Ah, macha allah macha allah mën nañ ci yaakaar na ñëpp ah, ñaan. état bi dans un ci délai bu gàtt. ñu songu ñu songu tribune euh, découverte bi incha allah. taala incha allah incha allah. es euh, ku wax. Mm-hmm. ku wax stade mm-hmm. euh, da ngay wax euh, li nga li mom moy ñu mm-hmm. nañ fi ci ministère doon waxtaan di wax ci problème former projet parce que aussi soxla nañ lu mel waaw xam euh, aussi ku wax aussi ku wax ku wax defar ku wax wax entretien ku réhabilitation euh, forcément ku wax modernisation manam gis nga réhabilitation mom la première phase mais vous wax modernisation na ngeen ci dégg maintenance bi quand on parle de modernisation d'une infrastructure sportive quand on parle de modernisation quand on parle de réhabilitation loolu mën nañ ko conception mais bu ñuy wax modernisation foo ko déggee maintenance ba tout à fait une maintenance de qualité c'est d'abord les ressources humaines de qualité mm-hmm. Il y a un proverbe arabe la différence entre le désert <laughs> et l'océan ce sont les hommes voilà le désert la différence entre le désert et le jardin ah, ah. c'est pas l'eau c'est l'homme mm-hmm. donc le capital humain il est fondamental dans toute chose c'est pas pour rien que la dernière fois nous profiter qui annonce madame la ministre nous nous journée porte ouverte. Nous mm-hmm. hmm. devons journée porte ouverte bu ñëk bi ñu ko sensibilisation. Mm-hmm. ne doomu dëkk bi ñoo leen ngeen li fi état bi def. ñoo leen ngeen xool su ngeen xoolee di ngeen apprécier te bu ngeen apprécier di ngeen téye. loolu lañ ci jublu woon. beneen bi ko ko reboisement. reboisement mais ñun ci effectivement nañ ko et puis mm-hmm. je pense que donc forcément infrastructure moderne il faut que nous ayons des personnes bien formées. bien formées que mu stagiaires yi mu nek ñi gérer sécurité bi mu nek ñi nga xamné ñom ñoy les techniciens koy de surface. Mm-hmm. mu les techniciens comme la plomberie comme mm-hmm. l'électricité mm-hmm. d'ailleurs les chinois nous ont nous nous ont offert une formation. on a coopté des plombiers et des électriciens avons offert une formation avant ñuy dem. aujourd'hui ñoñu ñu ngi leen di féliciter mais ñu ngi konte ci ñoom. pour parce que chinois yi li ñu fi jot a samp yëpp. dem nañ ba foofa won leen ko. Mhm. pour que ñoom ñu saytu loola. tout à fait kon c'est toute une équipe. c'est toute une dynamique de groupe c'est toute une synergie quoi mhm. en fait. Mhm. voilà. waaw loolu am loolu am na solo. donc ah. li ñuy li ñuy fàttali ñu ngi euh, inspecteur Seydina Ka mm. muy inspecteur départemental de sport mm. ba pare nekk directeur stade Aline Sitoé Diatta ñuy profité ci occasion aussi pour nuyu inspecteur régional. Euh, monsieur Diagne. Mhm. Euh, ci liggéey bu am solo bi nga xam ne. bi mu mhm. ngi koy def fii au mhm. niveau de la région. tout à fait ah di suñuy partenaire waa to Play ñooñu nga. Ah <laughs> ah ay jigéen ñu mën góor la. ñoom kooku c'est la dream team. voilà <laughs> ñoom ñu ngi def góor liggéey bu baax. oui président Sol Sidibé Irama Djiba. Sol euh, stade bi dañ koy waaj a ubbi ins jàpp nañ bés wala jàpp ñu bés. waaw léegi Moussa nag da nga laal fu fu fu ma amal solo nag ci émission bi. waaw wax dëgg yàlla. émission bi man bi nga ma invité. Uh-huh. dama ci sawar. Mm-hmm. yow sama xarit nga te xam nga damay déglu bu baax. Euh, mm-hmm. seet rajo. mais tamit sant ak gërëm taxawaay ba ma gis bërki démb ci ci bés booba samdi bi passé. Mm-hmm. taxawaay ba ma fa gis man mënuma ko qualifier. moo tax il faut nga may ma ma sant euh, tudd nga ci kenn léegi. <laughs> waaw l'inspecteur régional. Mm-hmm. da cee taxaw taxawaay bu bu bu bu yéeme yéeme mm-hmm. yéeme waaw mm-hmm. ah, ma ne ko vraiment tu as bien coordonné mon cher inspecteur sama rakk la et puis yàlla dafa def euh, bi ñu commencé liggéey yàggul mais ku neex a liggéeyal la voilà donc depuis bi ma ko waxee que ne dama bëgg a ubbi stade bi ñu def sunu set setal def euh, def reboisement def ci sawar il est allé au devant Tal autom def ci di liguey def lu mhm. on l'a vu la fois passer avec des balais. des râteaux et tout. Mhm. aussi c'est le moment de remercier tous les acteurs déconcentrés concentration, parce qu'il y avait l'inspecteur régional des sports amon inspecteur régional de la jeunesse l'inspecteur régional du travail était là-bas et la mairie taxaw fa taxawaay bu ama am am solo mm. macha allah dañ leen ciy remercier parce que dañ ñoo appuyer en matériel waaw bu baax matériel doyoon na waaw matériel yi xam nga doyoon na ndox mi doyoon na ndox mi bu njëkk ba waaw nit ñee bari woon waaw matériel bi néew exactement mais bii contraire bi la bii contraire bi la waaw ndox mi ba léegi daa des mm-hmm. <laughs> <laughs> matériel baa nga fa lépp doyoon na donc c'est le lieu de de de de remercier la mairie comme vous le savez la gestion du stade ñu ngi ko au ci conseil départemental mm. faaw kon ñu remercier que nous ñu remercier gouverneur parce que c'est un stade régional à travers lui nous remercions autorité étatique yi mm-hmm. macha mm-hmm. remercier ICG waaw gis tout à fait mais remercier aussi les leaders des organisations sportives taxaw fa mm-hmm. la ligue de football la ligue de basket ligue handball Ken Dessoul mais ODCAV cave renouveau ñepp nga fa. Mhm. xalé yi tout les écoles de football ils étaient là. même même même les acteurs du de la culture urbaine. de la hein. culture rappeurs yi. urbaine ñu woon ils étaient là-bas. ouais ouais et ils ont marqué leur présence. deug la école de football dañu bëggoon indi xalé yi ma len leen fi ñax yu bari ak yoyu xalé yi duñ neex a gérer bàyyi leen ba beneen yoon mhm. bàyyi leen ba football bi commencé ñu invité leen ñuy ramasser bal et tout di xool football parce que ñoom ñooy suñu yaakaaru mhm. ëllëg ñu leen di remercier c'est à Les autres, les, autres, eh, les, leaders eh, du Casa Sport. Mm-hmm. Nous fait la presse. Tout à fait. Hein? La presse, mes amis de la presse. Quand ken manque wul barki dem matériel bi il y avait un peu de l'animation mm-hmm. mu journée mm-hmm. journée la direction du stade da koo bëgg pérenniser. ok dama bëgg léegi ci kàttanu yàlla ñun ñu mu fekk ñu fi wala mu bañ ñu fi fekk. Mhm. dama bëggoon chaque six mois ñu def ko. ok je ba ci kanam voilà ba ci kanam ma léegi 19 novembre bi day nekk anniversaire. ok léegi chaque année dañuy def les 72 heures du stade. du stade pour profiter ci ubbeeku. Mhm. parce que yaa ngi naan inspecteur départemental yaa inspecteur régional mais ñun tamit bëgg nañu won ne lii mooy sunu mission. Mhm. mu am football mu am loisir mu am randonnée am don de sang am yeneen. damay xalaat nii rek tout haut. mais je vais on va avec la direction du SAD. habiller les 72 heures du stade. Mhm. incha allah chaque novembre au moins. célébrer gars yi ne ma noo da nga ko def chaque 3 mois ma ne non kon du am xorom. Mhm. dama bëgg chaque année ñu ñëpp ñëw ñu def anniversaire u stade bi. ñu def reboisement xool li fi baax. ñu garder ak lu fi baaxul. parce que li fi nekk. tey yàlla mën na def match am gars yi xel yi tasaaroo. waaw gars yi toj fii ñaanuma ko yàlla. dëgg la bu déwénee ñu ne leen gis ngeen lii. daaw nii la meloon ren gis ngeen ni ngeen ko mm, tojee mm, ah mm. lii gàcce la ci ñun et cetera tout à fait loolu moom mooy esprit les 72 heures du stade incha allah voilà sax mu am tournoi waaw boo xam ne boobu mooy nekk final bi dëgg la et cetera et loolu mën naa nekk <laughs> bëgg naa ci sa xalaat waaw loolu mën naa nekk dañ ci gën a waxtaan incha allah ok voilà donc mën na jàpp ne quand même 19 euh, bi mooy date bi mhm. dafa am lu ngeen ci nu ngeen ko lu ngeen ko xalaatee yéen mhm, mhm, mhm. waaw waaw xam nga dafa am la déconcentration waaw ministre bi boo dégloo teneuru lettre bi c'est une lettre at éminemment éminemment administrative tout à fait mais boo gisee dafa delloo lépp ci gouverneur je demande à monsieur le gouverneur de la région de prendre toutes ses dispositions pour mettre le stage le stade en service tout à fait voilà et le gouverneur euh, bi voilà il a parlé avec ses collaborateurs. Uh-huh. mu gis que ne dara gënu notre équipe Fagnon. ubbi ko mu quelque chose de de spécial. Uh-huh. mu nek ben dimanche. nous lal suñuy banderole gouverneur sax mën na représenter l'état du Sénégal Oui, tout à fait. Euh, voilà lolo Casasport Sport joué. Mm-hmm. bon voilà mu nek ben symbolique ben lu symbolique. le retour le retour du Casa Sport. le retour du Casa Sport première activité. waaw mu tombeek stade bi ubbi. Mhm. ñëpp ñëw. hein renouveau nawetaan ñëppay ñëw école de football Casa Sport ñëpp ñëw. Mhm. club L2. Mhm. national yi fi nek yëpp ñëw. mu nek en tout cas ben fête bu symbolique. buñ joggé ci dimanche bobu nak le coup d'envoi est sonné. Hmm. Alors, des euh, na nawetaan bi des zone yi <laughs> des phase départementale ah, yi club il paraît que gars yi seen yaram dafa tàng club voilà donc athlétisme déjà on a prévu là-bas les tests de l'arbitrage tout à fait ak Yenen. donc voilà Monsieur Borité j'ai envoyé pas mal de correspondance hmm. des gens qui avaient eu à faire des demandes des sollicitations ouais, par rapport au stade j'ai parcouru courtoisie j'ai répondu Malélen, effectivement le stade sera fonctionnel

ñu déglu élément Irama Djibar bi mm-hmm, mm-hmm. donc euh, muy élément sonore bu ñu leen bëgg a tegaat rek par rapport ak li nga xam ne lii moom mooy mm-hmm. usager yi parce que aussi ku wax stade bi wax ne ñu ko gënoon yittewoo euh, bokkoon na ci club yi nga xam ne ñoom ñooy jouer championnat parce que nag aussi macha allah ah, ren ren euh, ren moom duñ ci wéet parce que am nañ club Ligue am nañ club Ligue 2 am na mhm. ñaari club national un am na ñetti club national national deux. waaw ba pare aussi am championnat régional. Mhm. donc ñooñu ñooy les principaux mhm. usagers. bokk ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jëfandikoo stade bi. absolument ñoom aussi keroog ci jour set seetal bi ñëwoon nañ euh, wax seen xalaat mais surtout aussi entraîneur Casa Sport bi nga xam ne. Euh, moom sax suñu naataangoo GMS si demoon nañ seeti ko. très bien mu waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne lii moom mooy réouverture stade bi. tout à fait ñu xool élément bi su fekkee c'est disponible. Euh, ñu ñu jël ko. donc euh, donc ñuy c'est bon hein? mhm. voilà donc nous déglu élément après super. voilà d'accord donc euh, élément baa ngi nous ñu technicien mhm. donc est-ce que jàpp rek mhm. événement muy avons tout à fait. Tout Parce que aussi les gens ont beaucoup souffert. De la, de la fermeture de ce, de, de, tout, à fait, tout à fait, tout à fait, Dans à fait. lan lañ ci nan lañ mën a xalaat ne tey hmm. li nga xam sama dimanche je serai au stade à 13h. ah super <laughs> super. waaw kii euh, Moustapha Moustapha Diatta mi ngi naan la bonne émission inspecteur maître Diatta un Ziguinchor basket. ah oui maître Diata. maître Diatta c'est le euh, président de. Zig basket club waaw Kader le président. euh bu ma fàttee tur bi rek mu rey ma mhm. jàppoo bu kankala <laughs> en même temps ex Keba Diédhiou aussi le secrétaire général de de de l'Olympique de Ziguinchor oui Keba moom aussi mi ngi ñuy suivre Ibou Manga aussi mi ngi ñuy suivre mhm. euh, ne ñoom daal pare nañ quoi dinañ ci dinañ dinañ ci je crois que nos clubs ils seront les principaux bénéficiaires di li nga xam ne lii moom ah mooy moom ah mooy stade bi ah voilà donc za euh, ba léegi euh, donc inspecteur ñu ñu dem ci directement rek li nga xam ne lii mooy tey stade bi dañ koy ubbi effectivement Eh, ku nekk gi tey lan lañ mën eh, ñoom ñoo nekk si bopp stade yow mi di directeur bi mhm. ci taxawaay bu ngeen war a am pour que mhm. vraiment entretien stade bi nekk une surpriorité tout à fait nous sommes les les leaders des organisations sportives. à la mhm. base. Mhm. Nous ñu wax de réagir. waaw euh, nous allah Irama bi le doyen le président Irama c'est le premier à être sur les lieux hein, mhm. ce jour-là non non il, en avait fait <laughs> son, affaire ah oui et puis il en avait fait son affaire et puis il a il est même venu avec il a même appuyé à nous nous c'est c'est un geste il a travaillé de 8h à midi. mais, alors, c'est quoi le secret C'est quoi mm. le secret Mon oui, super. Et puis, il vient toujours aussi avec des idées. Mm-hmm. Euh, par rapport à cette question importante, importante mm-hmm. c'est la question, c'est la question de la maintenance. Gis nga tay bu ñu bayelo nak euh stade bi gëna moderne ci monde tey euh, buñ stade du Qatar yi tay buñ ñu bàyyi woon ak ñom tay <laughs> te def maintenance amul ben amul njariñ deug la. gis nga c'est la maintenance la maintenance nag ko c'est toute une stratégie. Mm-hmm. gis nga bu ñu maintenance. c'est mm-hmm. le système de causation. Mm-hmm. mais d'abord c'est la conscientisation des usagers du sport. parce que parce que sport dafa dafa nek ci dafa y ci ADN gens nit ñi ba nga xam dafa passionnant. et que bo matou rek tu peux être dépassé par les événements nga def l'irréparable. Mm. ñaanuñu mm, mm. mais ñun li ñuy invité waat nit ñi moy le principe de la Et stade bi c'est pas le directeur seulement. waaw stade bi. le directeur c'est un fonctionnaire. Tout à fait. Certainement, il va aller en retraite bientôt. Il va être affecté bientôt. Mais ce qui est important, c'est que signification bi population yi jox stade bi. waaw te bu ñu nee stade ci biir la ak ci biti nit ñi dañ koy fàtte. dëgg la camion yi ma wër sama premier défi sunu premier defi mooy canal bi nga xam ne dafa ceinturer stade bi. wax naa la ko ba tàyyi. dëgg la kanaal bi dañ ciy sotti mbalit. Mhm. ba léegi dañ ciy sotti mbalit. Mhm. te pourtant ñun ñu ngi euh, ñu ngi euh, gis nga bon voisinage. waaw dafa am solo. ñun ñun on tout kër yi nga xam ne ñoo wër stade bi incha allah taala amul benn loraange buy jóge ci stade bi. di dem ci leen daal hmm. waaye ñoom it nañu am cette euh, euh, nu ma ko mën a waxee euh, réflexe boobu. waaw nañ ko am. Hmm. canal boobu mbuus boo ci sànni yaa ngi lor stade bi. Hmm. ak yeneen ak yeneen les blocs sous gradins. les vestiaires les bureaux. la pelouse la pelouse. une pelouse de dernière génération. pelouse elle super hyper sollicitée. hyper sollicitée. lorsqu'on a été en Chine la première chose que j'ai posé à un technicien chinois Monaco, chez nous c'est 40 degrés. c'est un stade surutilisé. Mm-hmm. chez nous on joue de 8 h à 2 h du matin. avec une avec une température de 40 degrés mais dafa wëlis rek dar mm-hmm. pour moi, pour c'est impossible. Mm-hmm. mais bu fekkente ne nite nite bi mi ngi nite baa ngi fi rek. waaw yàlla xam na ne du fi dugg ëllëg benn autorité du fi dugg wala gan du fi mm-hmm. maintenance la le principe bi war prévaloir mooy la causation la gestion du est au, au conseil départemental du conseil départemental comme ni ko waxee. waaw kon nak fofu la tambalé jaar ci direction bi. Mm-hmm. jaar ci acteurs déconcentrés yi mooy ñun. Mm-hmm. jeunesse sport culture wayé jaar ci usager yi. ñi koy ñi koy jëfandikoo. waaw kay kenn ku ci nekk. Mm-hmm. na la mbir mi jaral dara. que bul bu la dara dépassé ba nga am lo fa yàq wala lo fa damm. parce que bu boobaa it c'est l'argent du contribuable sénégalais qui ciy de fait, mhm. fekk xajon na ci sunu yaay yi dem marché xajon na ci sunu sœur yi paré nek ci hôpitaux yi. xeyna tay di accoucher wala di def ay radio mhm. xaj ci ñom waye ñukoy jël diko duggal ci stade bi. ci ben penalty wala ben décision arbitrale wala dara ñu yaq ci lo xamné ay millions la. Mhm. ci fofu la gëna bëgg liggéey. loolu mo waral bëkk demu ñu stade bi di def sensibilisation les acteurs décentralisés les acteurs déconcentrés mm. les leaders des organisations sportives mm. les acteurs les adeptes les usagers du stade, les populations environnantes mm. Donc, mmh. donc qui est des sessions gestion stade plus les stade bi di génnee. muy duggaat stade surtout. Alors ah, loolu mënuñu ko bañ effectivement surtout loolu am solo. parce que nous, sommes Japonais, stade bi euh dina accueillir ay match nit ñi dañuy ñëw def fa sen com mhm. mais souvent dañuy am. dañuy am dañuy am sen satisfaction day dess day des ci entretien day dess ci entretien ban ban ban taxaway ngeen ngeen nara am ci lolu wa surtout que nit ñi nañu comprendre. que mhm. stade euh, dafa nek euh, lu nga xamné mom mom mom dafa noble mom moy solal boppam. moy mhm. sang boppam moy sang boppam. parce que mom à partir des propres recettes mom am avec un peu de de stratégie un peu de vision. ça mhm. ça de na Vous voyez mhm. aussi euh, il faut que nga ramener parmi nous euh, il faut que tous nous xam sportifs sportif souvent on résigne à mettre ce qu'il faut faire. faire par exemple damay joxe benn exemple euh, voilà quatre marches navetan par exemple c'est 50 mille francs. Mhm. est-ce que les gens ne vont pas te dire <laughs> c'est trop cher ça. alors que dans l'esprit dama joxe rek. exemple sama xarit hmm. eh, les clubs yi fi ligue 1, ligue 2, hmm. national régional. di ci di ñaanal une bonne saison parce que nous sommes parce que représentation hmm. mais nañu aussi confiance ci en commençant ci man mi nga xamné ne man et que nous sommes animés par une certaine déontologie, mhm. par une morale professionnelle. Mhm. Nous def ñaar fukki at ak juróom. ci administration mhm. nek à à quelque part. de la retraite. on n'a pas développé ce réflexe de déontologie. de morale professionnelle. que foofu Que nous ñaanee. seen bi seen rakk bi seen mag un am ci confiance. à travers ça nous xam ne tout ce que nous ci fait on sera le premier avocat de la défense du stade à côté de nos amis mhm. euh, qui sont les co-gestionnaires mhm. du stade, à savoir le comité de gestion. Mhm. et mon lim ci Sidibé mon aussi Fadel. Fadel ñoom laay tout le temps. et que complicité bien am mon ami Badji, notre adjoint, et on voit une certaine complicité, les ASP, les techniciennes de surface qui vont venir certainement jeudi pour nous commencer à Gana Gana Gana Gana Gana a gën a gën a liggéey dinañ ci bay suñu waar bu baax a baax waaye par rapport ak ampleur gestion bi waaw suñu doolee des na uhum. il faut que ñëpp jàpp ci

Nous waxtaan ma ne leen nag stade bi dafa réhabilitation. Mhm. ça ne me dérange pas que yéen ngeen nekk fi. stade bi nag laaju leen dërëm. li ñu leen ñaan mooy ngeen jàppale ci ñii tuur si mbalit ak lu fi gis lu ngeen xamul ngeen teel ñu comme moi, que bu fekkente ne stade bi noppi na dem leen li laay war a suul bu ñu kenn dégg jarul sax ay woo ay gouverneur mhm. na nekk bureau civilité mhm. mu nekk loo xam ne question yëfu gentleman la ñu ne ma ils m'ont donné leur accord le principe ma ne leen dinañu fi nekk ci jàmm ak salaam ba ba arbitre di jox premier coup de sifflet waaw eh, ma ne ko tamit vous allez endommager parce que fii euh, vous avez un peu endommagé l'espace. Tout à fait. Donc il faut aussi ngeen def ay réparations. Mm-hmm. parce que c'est un service public. Mm-hmm. loolu moo euh, vraiment journée sensibilisation dañoo ñëw jàppale ñu. waaw ak seen camion camion yooyu. nous la la ñu jël di tibb mbalit bi di yóbbu. dëgg nous te laajuñu leen sax laajuñu ñu sax mm-hmm. parce que dañu ma yow bi fi diké ba léegi fitnaaloo ñu laajoo ñu dara. da nga ñëw jël ñu avec tellement de diplomatie. tey boo bëggee defar sa kër ñun ñoo war a njëkk ñëw. dëgg la et saa yoo ñu ne dem leen ñun dañuy dem ci kàttanu mm. yàlla ak mbaaxam. Mm-hmm. waaw kon mën nañ jàpp ne foofu euh, jafe-jafe waru fa am. Mm-hmm. waaw non am naa ci yaakaar bu baax. ñoo ngi leen di ñaan daal. yàlla bu yaakaar ak waaw kooku tamit dama koy lancé. Mm-hmm. ñoom ñëpp euh, fii ak dimanche. ñu ñu ñu abal ñu. Hmm. parce que dama ko reboiser. waaw dañu ko reboiser waa ak waa grande muraille verte léegi sant naa Oyo Forêt. Oyo Forêt waaw waaw Oyo Forêt. ak seen agence boobu la grande muraille verte. la grande muraille verte. dëgg la dañ ko reboiser. Hmm. mu nekk ay plantes ombrageuses yu rafet. gis naa ko ku xam préfecture. garab ya fa nekk. yooyu lañu def si buntu stade bi macha allah ñu ñaan yàlla. Hmm. yàlla benn waay nee na ma. yow day inspecteur sa garab yi bëgg nga ko de mais benn supporter moo fi mer léegi buddi camion bi man ëpp naa def de <laughs> kon de dinaa xeex ak moom alors <laughs> voilà euh, stade bi yow yàqam di nga mu pare dimanche mais hmm. ñii nii ñoo ko gën a yàqam ñu déglu leen <laughs> d'accord le retour là c'est ça a été euh, comme j'ai dit un grand plaisir pour en tout cas euh, en même temps ouf de soulagement pour les clubs parce que il faut dire que depuis plus d'un an, pratiquement, on jouait à Kolda. Et voilà, les autres équipes de, au niveau régional jouaient, n'est-ce pas, dans les stades euh, avec euh, du sable. comme vous le savez, le football ne peut pas, le football moderne aujourd'hui euh, nécessite quand même de jouer dans les meilleures conditions, c'est-à-dire des tapis comme ça, où on peut vraiment dérouler le beau football. Donc c'est un plaisir franchement dire que, en tout cas, euh, bravo à Madame euh, la ministre qui a, n'est-ce pas, tenu son engagement aussi, sa parole. Parce qu'il faut le dire, hein, le stade devait être ouvert, euh, livré en, mars, en, mars 2025. Mais entre-temps, quand on les a rencontrés, ils ont, elle a tout fait pour rapprocher les délais, ramener les délais à, au, 19 novembre. C'est ce qui, ce qui nous fait un grand plaisir donc, euh, n'est-ce pas, de revenir à notre stade euh, mythique, le stade Aline Soyata. C'est un boom de cœur. Ça fait la joie. Déjà, tout le monde est content de pouvoir recevoir à Aline de euh, retrouver notre chaudron. Et leur demander aussi leur soutien. L'équipe du Casa, c'est une équipe pour toute la Casamance, hein. donc pour toute la diaspora aussi, de nous aider, de nous aider. Non seulement pour Aline Citoyen, mais pour d'autres infrastructures. Tout en sachant qu'aujourd'hui, dans le football sénégalais, toutes les équipes ont des, des fils de la Casamance. Donc aujourd'hui, si on a d'autres infrastructures, beaucoup encore vont éclore. voilà jërëjëf donc euh, mhm. euh, des éléments ball bi ñu ciy gërëm suñu naataango mhm. média du sud waa GMS mhm. ñoom ñoo demoon gisi ko euh, ma demoon fa entraînement jóge cours jaar fa fekk leen fa falaa jëlee élément bi ma jàllale nii juste pour rek wane ne gars yi yàkkamti nañ jot li nga xam ne lii moom stade bi tout à fait donc est li ñu dese ci ay simili bariwul

dafa laaj daal wax dëgg yàlla management. waaw day dafa laaj daal benn management bu innovant. et vraiment j'ai confiance par rapport ak ñetti réunion yi ñu fi defagum. parce que hmm. on de yàlla daf ñu hmm. ñu anticiper avant lettre ministre bi di ñëw déjà commencé nañu anticiper. ok di waxtaan di préparer la journée est-ce que xam nga ne journée bi gars yi ñu may dégg nous pré euh, dañu décréter journée bi. ca suba sa la lettre ministre bi ñëw. effectivement loolu nga ma wax. xaaruñu aha ah. xaaruñu ba lettre ministre ministre ñëw ñu commencé liggéey. Mhm. ñu ngi commencé doon di di imaginer. waaw parce que Irama. waaw bi ñu njëkkee def journée nationale bi. Mhm. waxoon na ne bés bu ñu yëgee date bi ñuy ubbi stade bi. exactement ñoom dinañ ñëwaat nettoyer. et il l'a fait. waaw chose promise. chose faite effectivement def na ko. Mhm. effectivement ma ciy nuyu Balla mi. <laughs> voilà c'est quelqu'un que je connais dégg euh, <laughs> partout où vous allez vous trouvez les fils de la il a na ci moom Louga je l'ai vu jouer agréablement à Louga de la le moom ak Solo Badji voilà moom <laughs> Solo j'ai vu Alpha Thiam hier quelqu'un qui a fait des merveilles waaw d'ailleurs moom dafa gis sa affiche Alpha demandé non non Alpha je ne sais pas si je dégg mais maa ngi koy seetaan mi ngi seetaan c'est une fierté lougatoise mm-hmm. aujourd'hui bon maa koy nuyu surtout mais il y ñaanal aussi bonne chance. Mhm. à travers lui vraiment. le Casamance renouer avec non seulement son stade de fétiche. Mhm. mais aussi renouer avec les grandes victoires quoi. Mhm. vraiment de tout cœur. Nous avons koy ñaan bu baax a ak. équipe yi en lycée Nous waaw dañu nekk fédération sénégalaise de football wala basket wala handball. volleyball. di leen ñaanal bu a baax a est-ce terrain basket bi bakkane naa. waaw waaw waaw waaye nag waaye nag. waaw liggéey bi des na parce que. waaw terrain basket problème am yëpp accès bi la. exactement. no dama taxawaay ngeen fas. no no basketteurs yi ñu ngi la doon xaar bi nga tàmbalee ba léegi. léegi waaw waaw waaw waaw mais effectivement c'est un bijou. Et n'oubliez pas que, mon cher Moussa, c'est un, c'est un stade multifonctionnel, c'est un plateau multifonctionnel, mm-hmm. euh, avec euh, des, du matériel de dernière génération. Parce que vous le faites volleyball, 9 sur 18 boobu ngay gis. te mu bleu. Mm-hmm. gis nga yi ci def pylône yi ci def. hmm suñ ci deful won yoyu du compétir entraînement rek lay. lay doon waaw ok. même chose quand yi ci def ak tiax yi aujourd'hui tay on m'a amené des des trucs de protection. des panneaux. par choc anti choc par choc pour le panneau de basket waaw. tellement avec un euh, euh, hein, matériel par choc. Mm-hmm. Euh, mu nekk voilà tay plateau bobu mën na abriter un championnat d'Afrique tout à fait mais deug la nawet bi dafa détériorer entrée hmm. entrée stade parce que diggante buntu stade waaw waaw stadium bi oui oui ak tali bi amul amul connexion je suis parfaitement d'accord tay am nañu euh, beaucoup de béton à l'intérieur du stade effectivement avec su yenen matériaux yo xamné liés à la qui nous ngi ciy d'abord dans un premier temps pour baliser un chemin. Mhm. même pour bu fekkente ne sax benn genre comme lu ñu tuddee rang rang. mu comme ni nga ko waxee. Mhm. mu jokk ci RN6 bi. RN6 après, tranquillement voilà après nous rembourser nag. Euh, mhm. entrée bi. ñu ngi ciy def ay imagination. mais nag ñun liñ ci mën rek mooy def ci benn genre imagination locale. Wow, en attendant Wow, rambale ko comme ni ngay def sa kër ni nga koy yëdd sëkkee waaw yooyu ñu ngi ciy xalaat lu bëri ak surtout Sidibé mhm. ñu ngi ci doon waxtaan bu mhm. baax a baax a baax a baax mhm. Ah. mais ambi euh, kii bi euh, les pylônes de l'éclairage ambiant waaw euh, bu tàkkoon léegi doo gis doo gis waaw c'est tellement limpide waaw lumière moom macha allah macha allah j'ai vu Simon maa ngi koy ziar bu baax Simon jël na ci Simon siis benn photo la nuit au stade vraiment super ça a été beau mais <laughs> xam nga es tay ñi fay football wala ñi fay basket c'est des structures organisées mais bari ñi ñukay koy emploi yoo xam ay privé lañ ñeu fay jouer sen match. waaw ñoñu tay lan nga leen di denk waaw lool tamit lu ñuy limité la. xam nga man tamit dal, je suis un peu réticent par rapport ak lo xamné amul ben logique xam nga bon le loisir xam nga bon c'est vrai le loisir aussi dafa bokk ci adina bi mm-hmm. ñoñu ils sont un peu dans le loisir mm-hmm. ils sont aussi dans ce qu'on appelle euh, pour votre santé bouger. Voilà, c'est pour un peu. Euh, c'est un service public. Mhm. Ils utilisent le sport pour leur santé mentale. Tout à fait. Leur santé, voilà. Donc, ils s'adonnent à une pratique sportive daf pour décompresser voilà pour décompresser Ce n'est mm. pas pour rien aujourd'hui que vais faire ak camion yi. Mm-hmm. pour que gars yi di footing si def si fitness. Mm-hmm. mu nekk bien, voilà j'aime bien que ben moniteur fitness ñëw ñu lal basse, jël couloir bi ko mu jël couloir bi. muy def fitness waaw mu loisir quoi. Mm-hmm. donc ñi ñeu aussi bëgg lal pelouse. certainement c'est des Moussa Ndaw qui ont joué junior senior <laughs> bëgg bëgg gazon ils ont envie de monter buñ la ko aussi c'est un service public waaye tamit par rapport à sa pertinence aux questions, bi. waaw dañ ko war a nag nekk lu ñu lu ñu organiser. organiser dañ ko war a encadrer. Mm-hmm. xam nga dañ ko encadrer euh, ko encadrer euh, je pense que dinañ ci mën a génn bu baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. parce que une séance d'entraînement, nous nous sommes des stapsiens une séance d'entraînement ne dépasse pas deux heures. Ouais. Une séance d'entraînement, la, la, séance la plus courte, c'est une heure. Mhm. La plus longue, c'est deux heures. Mhm. Aujourd'hui, on assiste dans le haut niveau à des séances bi-quotidiennes mhm. de 45 minutes. Le matin, 45 minutes le soir. Mais comment on peut utiliser une pelouse pendant 4 heures Ça, c'est pour faire quoi C'est pour aller euh, faire la guerre en Irak ou qu'est-ce qui se passe Mais non, 4 heures de. Donc là, le Niger, là. Wow. Coach, une séance d'entraînement dure combien de minutes ouais. C'est une heure la plus courte. C'est deux heures la plus longue. Mm -hmm. Mais tu, tu, vides les lieux. Ouais. Excusez-moi le terme. terme, ouais. C'est ça là. <laughs> loolu am solo donc mën nañ jàpp rek service yi fa doon am dina fa konni di am mais di rek xol ci yenn anam lañ koy def ba nga xamné stade bi aussi. Mm-hmm. du ci gaaw ci salté beeg. ci yenn mm-hmm. affaire yi quoi manam dal kep ku fay ñew war nga xam ne fii may dem ni moom sama néeg may fanaan ñoo xam nga lu ko def waaw li ngay li Moussa Ndaw di tuddee maam benn bëñ waaw gis nga moo tax dañuy invité acteur décentralisé yi ñoom it ñu gën a bay seen waar mhm. sur les parcours aménagés waaw dégg nga ñu gën a bay seen waar sur yeneen stade yi ne ci dëkk bi tout à fait ñu gën a bay seen waar mais surtout surtout ñu gën a bay seen waar aussi ci li ñuy tuddee euh, les terrains aménagés les espaces de jeu mhm. parce que loolu damay faral di ko wax xam nga jël dëkk rek jël lépp def ko ay restaurant ay kër je n'ai rien contre les restaurants waaw mu fi génnee léegi ci restaurant laa jëm dañuy reer waaye dëkk day am poumon waaw dëkk day am xëtër day am espace de loisir tout à fait parce que dafa bokk ci doomu aadama mm-hmm. nit ki ni mu bëggee ndox ak ñam noonu la bëggee yëngatu mm-hmm. mais ab dëkk bu dee nag aménagé wu yooyu mais nit ñi ci stade ba la jëm dëgg la te boo leen ko xañee ça va être injuste mm-hmm. mais je dis que cette forme de pratique kooku ça va être vraiment encadré hein. ku fi ñëw en tant que directeur du SAD tu viens amna ci ñaar nga ñëw ma ne la ah sëñ bi am naa ñaar flou naa loolu kay yomb na waaw je vous demande de revenir euh, semaine prochaine beneen date quoi waaw ma jëlaat deux mu am une date li am ma ligue ma ligue deux ne national national deux ah, régional ak nawetaan waaw ak ko ak IAS yi mais sëñ bi loolu moom <laughs> voilà donc ñuy profité ci occasion balaa ñoo jox inspecteur mu tàggoo <laughs> di ñaan suñu autorités yi bees yi nga xam ne mm. ñoo fi nekk. waaw euh, li ñu diggee woon ak askan wi ñu mm. taxaw ci. tout à fait euh, ah. démb génn nañ ca élection ci jàmm ñuy ñaanal ñëpp ñi nga xam ne fal nañ leen. di dem taxawaay fa taxawaay bu am solo. ngir jàppale seeni askan waaye timil fii si Ziguinchor am na lu ñu diggoon ñun. ñu ngi koy fàttaliwaat suñu kilifa yi. Mm-hmm. muy monsieur le maire ak monsieur le premier ministre. Mm-hmm. ñoo ne woon stade Néma dañ koy réhabilité. Ah. Ah. loolu la ñuy xaar. Ah. loolu moom ñëpp ñëpp ñoom la xaar man maa wax rek mais sportif yëpp nekk ci parce que ñooñu loolu mooy seen mm-hmm, mm-hmm. monsieur le maire monsieur le mm-hmm. premier Ousmane Sonko sa projet réhabilitation stade Jules François Bocandé bi nga présenté ci ngir jàppaleen ci ngeen defar ko tout pour askan wi ñu am fu ñu mën a yëngalee seen yaram tout parce que ñu ngi koy xaar bu ngeen ko defee rek di ngeen noppal Aline Sitoé tout di ngeen tax talent yi di gën a éclore nañ ni li ngeen wax di ngeen ko def mm-hmm. am nañ ci yéen yaakaar bu baax a baax a baax bu baax es balaa ma la jox nga tëj rek ñu nuyu Souleymane Diop Euh, mhm. bu ASC Kassim Passa. Mhm. collègue. Mhm. coach football ASC Kassim Passa HLM. Et aussi ñu sur la page Facebook. la mais Moussa man kay dama rek euh, euh, émission bi dafa <laughs> une heure heure. c'est comme comme une séance d'entraînement. C'est court. c'est une salut. L'émission est parce que dafa riche quand on parle de sport et on est passionné. C'est toujours pour nous euh, un grand plaisir de revenir. Tété, de m'offrir plateau parce que da ma ko da nga ma may quoi ma sant vraiment. <laughs> waaw mais ci la bokk journée mhm. naa ci publicité les soixante douze heures. de waaw te fayu ma dara génnewu ma dara ci gafaka gi. <laughs> kooku dañ koy jéggalu. <laughs> wala je passe Sëñ Saliou nga jaar jaar commercial. alors yaakaar naa duy daan ataaya daal. waaw waaw si si si. waaw hmm, donc ma ne xam naa je risque de passer à la caisse quoi. mais nag dinaa leen sant. Mhm. dinaa leen gërëm. mangi ngi tamit ci cadeau gi. bu mm-hmm. fekkente ne aussi wax nañ ci lo xamni xeyna xëy na kenn aw nit ci askan wi ñu ngi koy mm-hmm. tuub bu baax. Mm-hmm. mais bu fekkente ne aussi amna lu ci baax ñu ngi koy sante suñu borom té on sera toujours en tout cas prêt à servir euh, en tout cas cette belle région. bi nga xam ne ñu ngi fiy soog Euh, par la force d'une décision administrative on va continuer encore à œuvrer. Mm -hmm. et que dañuy ñaan yàlla ci kattanu yalla ak les usagers du euh, du stade. Mhm. le les leaders des organisations le mouvement sportif les autorités comme ñi nga tudd léegi. Mhm. ñu xamné euh, voilà un serviteur mi ngi mhm. prêt à travailler avec euh, tout le monde euh, et le lu mu mom lañ koy jox on va être bu intelligence, euh, en tout cas souplesse intellectuelle, on le fera. Mhm. Vous direz aussi beaucoup de rigueur pour maintenir ce stade on n'hésitera pas à le faire. Mhm. Parce que nous, notre légitimité, ce n'est pas une légitimité populaire. On n'est pas dans le buzz, dans le truc. Non, on est dans la science, on est dans le rationnel, mhm. on n'est pas dans l'émotionnel, on est dans le rationnel. Donc, je euh, vous euh, ziar bu baax a c'est toujours un grand plaisir di ñëwaat di waxtaan ak yéen. Mhm. di waxtaan ak seen auditoire maa ngi leen di gis ni ñuy réa réagir. Mhm. et di ñaanal équipe yi nekk en lice yëpp nag ñëpp. arts martiaux yeeg volleyball beeg ànd mhm. bal bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ñaanalaat euh, bu baax a baax dëkk bi équipe bu dëkk bi yàlla may ko euh, ndam lu sedd guy ak yeneen i yeneen i yeneen i yeneen i ndam di la sant di la gërëm di leen ñaanal yàlla rajo bi fi ngeen ko bëgg a yóbbu amiin yàlla defaral leen ci lu kawe kawe kawe kawe kawe seen jot jërëjëf inspecteur ñu lay gërëm bu baax a baax di fàttali nit ñi rek balaa ñu tàggoo que Euh, rendez-vous dimanche là, dimanche prochain. Inch'Allah euh, le Casasport va le 24 ah. ñu c'est Mon lendemain anniversaire. ah oui ah mais Le 23 Moussa c'est le 23 c'est mon anniversaire. ah le 23 voilà le 24 Nous ñëpp ñu boubou, dem euh, pousse Casa Sport vers sa première victoire de la saison. mais my teacher na ko ñëpp ñaanal. <laughs> voilà <laughs> eh, merci beaucoup ak sa et que dimanche Nous bëgg mu fête. fête voilà. prolongement anniversaire bi lay ñu je ko l'équipe moo l'équipe fañoo. <laughs> waaw gouverneur boobu ubbi ko avec ci ndigalu gouverneur alors euh, na ñëpp ñëw. na ñëpp ñëw bu ñu gañee nag ñëpp fecc ñëpp kontaan. kontaan seen stade après macha allah après ku nekk nekkaat sa bopp. voilà ku nekk parce que bu leen faté ah hein, Sénégal day football suba. Sénégal day joué suba. dernier match ñu clôturé. éliminatoire yi waay waay allah 30 matchs éliminatoire depuis 15 ans la tanière. waaw 10 ans amuñu défaite. éliminatoire macha allah ñu ngi sant yalla bu baax quoi. ñëpp nañ dem suba stade Ablaye Wade. pousser la les lions. Ah, pour le dernier match de l'année année. ñu def apothéose ñu apothéose ko <laughs> félicitations lions et dimanche Inch'Allah, le Casasport joue bu le ko contre l'Inger et on attend aussi Esamay son match ici. Esamay dinañ seetaan football ren ba ah oui super super et tu merci inspecteur <laughs> Xavier nous les lay gërëm bu Patrice à la technique. merci beaucoup di jox auditeurs yi dox lundi Inch'Allah, def le débrief du match du Casa Sport. merci beaucoup merci beaucoup.